le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bienvenue à tous dans le forum du studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le forum de ce soir a pour thème principal respect des droits humains au Niger, le cas du droit à l'alimentation. Les droits humains, qu'est-ce que c'est Quelle est leur origine Quels sont les différents droits humains Qu'est-ce que le droit à l'alimentation Qui doit garantir ces droits À qui et par quels moyens Qu'en est-il du respect ou pas de ces droits Quel est le rôle des défenseurs des droits humains pour la jouissance de des droits, comment garantir le droit à l'alimentation. Pour en parler, nous avons invité Kani Abdullah, coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE, et Jory Ibrahim, qui est chef de département droit à l'alimentation à alternative espace citoyen. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, merci d'y rester fidèles. Trois ans après la Seconde Guerre mondiale, les nations du monde se sont réunies pour sortir un texte historique qu'elles ont appelé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agissait d'un texte qui garantit et reconnaît que tout être humain en tant que tel et indépendamment de sa condition sociale a des droits inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés, et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. D'autres textes ont suivi pour compléter ou préciser davantage certains droits. Il s'agit notamment du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Aujourd'hui, nous nous situons dans cette optique pour parler d'un des droits fondamentaux, celui de l'alimentation. Sans plus tarder, je commence avec vous, Kani Abdoulaye. Vous êtes coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. En tant que défenseur euh, des droits humains, pour vous, le droit à l'alimentation, qu'est-ce que c'est Le droit à l'alimentation fait partie des droits économiques, sociaux et culturels. Donc se mettre à l'abri de la faim, tout citoyen d'un pays, j'allais dire, est partie à ces instruments des Nations Unies. C'est quoi C'est d'abord que le citoyen puisse être en sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire veut dire quoi Qu'il puisse avoir en abondance sur le marché, sur le marché, qu'il puisse avoir en abondance sur le marché les darés pour pouvoir effectivement acheter. La deuxième chose, il ne suffit pas simplement d'avoir les darés. Il faut aussi e-, effectivement être en sécurité financière parce qu'il faut être à l'abri du minimum pour pouvoir acheter. La troisième des choses, c'est que le producteur de nos pays, de cet État, doivent effectivement par eux-mêmes pouvoir produire ce qu'ils doivent manger, d'où la notion aussi de souveraineté alimentaire. Donc c'est tout cela qui, de manière succincte, constitue le droit à l'alimentation. C'est pour dire que le droit à l'alimentation, par exemple, ne peut pas être effectif lorsque certains droits ne sont pas effectifs, par exemple, du point de vue économique. Si vous n'avez pas un travail décent ou vous n'avez pas un revenu, j'allais dire juste un revenu, vous ne pouvez pas effectivement être à l'abri de la faim. C'est pour dire que les droits sont interdépendants. On peut avoir une idée des différents textes internationaux et nationaux qui encadrent ces droits. Oui, au, niveau national, quand vous prenez déjà la constitution, la constitution du Niger, effectivement, la constitution encadre ça. Et quand vous regardez l'article 12 de la constitution, on en parle. Et mieux, la constitution du Niger fait partie des constitutions révolutionnaires qui dit que tout programme de développement agricole qui doit être mis en œuvre au Niger doit se baser sur la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire suppose que les producteurs puissent produire eux-mêmes. C'est aux producteurs nigériens, par exemple, de produire par eux-mêmes ce que, nous devons consommer. C'est cela la souveraineté. Il y a également, au niveau national, vous savez, il y a aussi l'initiative 3N qui a été transformée en politique agricole au niveau national. Et quand vous prenez, euh, vous prenez la Charte africaine des droits de l'homme, au niveau d'abord de, la CDAO, il y a effectivement une politique agricole également. Et quand vous prenez au niveau africain, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Et au niveau onisien, il y a le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et son protocole facultatif. Et là aussi, son protocole facultatif est révolutionnaire. Pourquoi Parce que tous les pays qui sont partis à ce protocole facultatif et qui n'ont pas émis des réserves, qui n'ont pas émis des réserves, disent euh, que les, citoyens de ces États partis peuvent ester leurs États par devant de tribunaux et devant le conseil de, le comité euh, de, de, droits économiques, sociaux et culturels s'ils n'arrivent pas à mettre leurs citoyens, leurs citoyens à l'abri de la faim. Le Niger est parti. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut, souligner ou qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas encore au niveau de l'ordonnancement juridique national ce n'est pas encore inclus dans le code pénal et le code de procédure pénale. Parce que pour qu'on pour qu'on puisse effectivement dire que telle chose, pour, euh, euh, effectivement au niveau de la justice pour que, par exemple, un citoyen puisse rester un État ou rester qui que ce soit, il faut effectivement que dans le code pénal ou le code de procédure pénale, qu'effectivement, qu'il puisse y avoir un certain nombre d'éléments pour dire que, par exemple, comment on peut constater qu'un État, par exemple, pas mis n'a pas mis à l'abri de l'affaire son citoyen. Il faut effectivement dans l'ordonnancement juridique national que cela soit pris en compte d'abord afin qu'effectivement un citoyen nigérien puisse rester l'État du Niger. Mais, là encore, à partir du moment où, quand vous prenez la constitution du Niger, dans le préambule de la constitution du Niger, faire référence à ces instruments, ça veut dire que et, quand, mieux quand vous partez à l'intérieur de la Constitution, il y a un article qui dit que ce printemps fait partie intégrante de la Constitution. Donc, je pense que même à partir de là, vous pouvez, un citoyen nigérien, s'il pense que, estime qu'il n'a pas été mis à l'abri de la faim, peut rester l'État du Niger. Du fait de l'existence de ces ordonnancements juridiques nationaux et internationaux, est-ce qu'on peut euh, affirmer que le Niger, euh, le droit à l'alimentation est respecté au Niger où ces droits euh, n'est pas euh, du tout respecté. Oui, vous savez, il faut relativiser. Pourquoi Parce que quand vous prenez les droits économiques, sociaux et culturels, c'est là où on donne euh, une certaine alternative aux États. Parce que c'est des droits qu'on dit que les États, c'est en fonction des moyens dont dispose l'État et que ces, <laughs> ces, droits doivent être mis en œuvre progressivement. Vous savez qu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après, les États sont venus en 1966 parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement qu'il y a des droits qu'on ne peut pas tout de suite mettre en œuvre, ou il y en a des pays qui ont dit que non, il y a des droits qu'on ne peut pas mettre en œuvre tout de suite. C'est pourquoi il y a eu le deux pactes. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc, à, partir de ce moment, c'est des, droits qu'un État doit euh, mettre en œuvre progressivement. Mais ce que je vais déjà dire, au niveau, au niveau national, c'est que nous nous réjouissons qu'il y ait une politique agricole au niveau national à travers l'initiative 3N qui a été transformée en, politique agricole. Et de l'autre côté, il y a deux ans de cela, la FAO a donné un quitus au Niger pour dire qu'effectivement, le Niger fait partie des pays qui ont respecté l'ODD qui prend en compte le droit à l'alimentation. Même si par ailleurs, quand vous regardez souvent, parce que vous savez, surtout notre pays, c'est un pays à, vocation agro-pastorale et vous allez remarquer que deux fois dans le temps et l'espace, il y a des poches, souvent des sécheresses où on n'arrive pas à produire, mais que l'État fait tout avec euh, l'OPVM de mettre à la, disposition des citoyens, de mettre les citoyens eh, à l'abri au moins de l'insécurité alimentaire. Par cela, on peut dire qu'effectivement, l'État fait des efforts, même si par ailleurs, quand vous regardez dans, dans le budget aujourd'hui, le budget national, vous allez remarquer que même l'alimentation et l'agriculture, j'allais dire, le budget qui est alloué à l'agriculture est très, très, très, très, très faible. Or, il y a un seuil que les États se sont dit qu'ils vont effectivement attribuer eh, au développement agricole, mais qui effectivement n'est pas, pas à la hauteur de ce que nous attendons. Donc, vous voyez, donc je ne peux pas dire que, que c'est un droit qui est effectivement permettez-moi la tautologie, effectivement effectif. Alors, comment, euh, quels sont les, points sur lesquels euh, le Niger doit, euh, l'État du Niger doit insister pour que ce droit puisse être, en tout cas, effectif Je, je crois bien, c'est d'abord, avant tout, vous savez, j'ai rappelé que dans la Constitution, c'est déjà pris en compte. Il faut que le Niger légifère pour que nous ayons une loi sur la souveraineté alimentaire cette loi, ça veut dire quoi Si nous avons une loi sur la souveraineté alimentaire, ça veut dire que l'État du Niger consent que c'est aux, aux, producteurs, aux citoyens nigériens, aux agriculteurs, les petits agriculteurs, les petits producteurs, c'est à eux de produire ce que les Nigériens vont consommer. De ce fait, il y a un certain nombre, il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent être mis en, place pour qu'effectivement ces, ces producteurs puissent effectivement produire de manière suffisante pour la production locale, c'est-à-dire l'accès aux intrants, l'accès à la terre, l'accès à l'eau, voyez-vous, l'accès à l'eau et l'accès aussi aux subventions de l'État à travers, par exemple, au Niger, nous avons la Bagri, qui est une banque agricole qui avait effectivement l'idée de la Bagri, c'est effectivement d'accompagner les producteurs. Et l'accès effectivement aussi au marché. L'accès au marché, c'est surtout eh, l'organisation des différentes filières parce que vous savez qu'il y a d'autres filières qui produisent, mais qui sont mal gérées parce que ces filières ne sont pas organisées. Je pense que à travers cela, on peut effectivement mettre euh, rendre effectif le droit à l'alimentation parce qu'on pourra produire suffisamment pour pouvoir nous-mêmes nous nourrir au niveau national et qu'on ne pourra même plus peut-être faire euh, recours à l'achat de tout venant de certains nombre de pays. Euh, est-ce que le Niger est en train de corriger, de mettre en œuvre les recommandations issues du dernier examen périodique relativement à cette question de droit à l'alimentation Oui, j'ai pu vous dire que du point de vue PU, il y a eu des recommandations dans ce sens ce qui a amené même l'État du Niger même à prendre un certain nombre de décrets d'application, surtout dans le domaine du pastoralisme, transformer l'initiative la, 3 en politique agricole. Et récemment, en mars 2018, le Niger est passé devant le comité de droit économique, sociaux et culturels où un certain nombre de recommandations aussi ont été faites au Niger et donc surtout effectivement sur le droit à l'alimentation. Et ces recommandations sont en train d'être prises en compte, mais il va falloir effectivement que, puisque ça ne fait même pas plus de... Euh, environ 4 à 5 mois, il faut effectivement progressivement pouvoir faire euh, l'état de lieu, un rapport à mi-parcours pour voir jusqu'à quel niveau nous en sommes maintenant. Nous en venons à vous à présent, Jory euh, Ibrahim. Merci d'avoir honoré notre invitation. Euh, merci, Vincent. Voilà. Est-ce que vous pouvez apporter des compléments d'information sur la signification même des droits humains ainsi que sur leur origine Pour définir les droits de l'homme, Traditionnellement, on s'accorde à dire qu'il s'agit d'un ensemble de prérogatives reconnues à l'être humain du seul fait que c'est un être humain pour protéger sa dignité. Donc le socle des droits de l'homme, c'est la protection de la dignité reconnue à l'être humain en tant qu'être humain. Sans discrimination aucune, on dit faut hmm. les races, les cultures, l'origine sociale, les fortunes. Dès lors qu'on définit les droits de l'homme comme étant des prérogatives euh, hmm. reconnues pour la protection de la dignité, Mm. de l'homme, on peut mm. dire que les droits de l'homme commencent à partir de la naissance de l'homme, en vérité. Mais la reconnaissance en tant que telle, c'est ça qui date Maintenant, c'est la question de reconnaissance. Même la reconnaissance, à quel niveau on se situe mm. Les droits de l'homme ont été d'abord euh, été reconnus ou consacrés dans les ordres juridiques nationaux. Maintenant, il y a la protection internationale des droits de l'homme. Lorsque l'humanité toute entière finit par s'accorder pour dire que ce minimum qu'on doit reconnaître à l'être humain du seul fait que c'est un être humain, on peut grosso modo les lier au palais universel à euh, l'après Deuxième Guerre mondiale, même si aussi le pacte de SDN de l'après Première Guerre mondiale aussi a quelques indices. Mais les premiers textes fondateurs à vocation universelle, euh, c'est d'abord le statut des Nations Unies qui a consacré pratiquement 8 articles qui concernent la questions des droits de l'homme. Puis maintenant, ces articles-là contenus dans la Charte des Nations Unies se trouvent reversés et interprétés selon donc la doctrine dans ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mm. Quels euh, droits principaux euh, sont issus de, de cette déclaration Aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'il y a trois familles de droits de l'homme la première génération des droits de l'homme, on euh, les, catégorise plutôt comme étant des droits civils et politiques, mhm. qu'on reconnaît à l'homme et qu'il peut brandir contre les puissances publiques et qu'ils ont donc obligation de respecter. C'est la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, d'opinion, la liberté de vote, tous ceux qui sont ceux qui sont comme expression des libertés. Il y a les droits de deuxième génération qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont versés dans un pacte spécifique. Donc, donc on a eu en 1966 déjà deux pactes. un premier sur les droits civils et politiques, donc qui consacrent les droits de la première génération, et un second sur les droits sociaux, économiques et culturels, mhm. qui consacrent les droits donc de la deuxième génération. On les appelle les droits créances, créance. Mhm. parce que contrairement aux droits de première génération, donne la mise en œuvre, la mise en œuvre de ces droits impliquait simplement aux États de ne pas, de ne pas les mettre en œuvre. Mhm. Par exemple, la liberté d'opinion, on n'a pas à donner de l'argent pour les réaliser, il suffit simplement que l'État s'abstienne de réprimer, l'expression de l'opinion. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle le droit abstention. L'État, quand il s'abstient, ça se prospère. Mm-hmm. Et maintenant, les droits la... socio-économiques, ce sont mm-hmm. des droits créances. Mm-hmm. Donc, ce sont des droits qu'on ne peut réaliser qu'en investissant des ressources. Parmi ces droits, justement, il y a le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit au travail et consorts. La troisième génération de droits qui sont les droits solidarité, le droit au développement, le droit à la paix, mm-hmm. n'est-ce pas, mm-hmm. qui sont euh, d'autres catégories de droits collectifs, mm-hmm. n'est-ce pas, qu'on ne peut mettre en œuvre que collectif, et qui engagent la communauté internationale aussi à contribuer à leur réalisation. Où est-ce qu'on peut soutenir le droit à l'alimentation comme, je l'ai dit, le droit à l'alimentation se situe dans la deuxième génération des droits de l'homme, les droits sociaux, économiques et culturels. Les dispositions qui fondent juridiquement ce droit, c'est d'abord l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'article 11 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. Comme tous les autres droits, en vérité, la reconnaissance de ce droit fait peser sur les États partis, donc au pacte en question qui les consacre, trois catégories d'obligations maintenant. Le premier niveau d'obligation, c'est l'obligation de respecter. Mhm. C'est-à-dire la première des choses à faire lorsque ces droits sont reconnus à tout être humain du seul fait que c'est un être humain, n'est-ce pas C'est respecter. Mhm. Que veut dire respecter Que dire respecter veut dire chez les États partis ne rien faire qui soit de nature à porter préjudice à ce droit-là, mm-hmm. reconnu à tout être humain. Donc, il les respecte aussi bien au niveau de ses compatriotes que toute autre personne vivant sur son territoire. Maintenant, après le respect, il a l'obligation de protéger. Protéger, ça veut dire que toute autre tierce personne qui aurait des velléités de porter atteinte à ce droit et à l'individu, à un groupe d'individus, l'État est tenu de protéger les victimes contre les éventuels. Euh, atteinte. Et lorsque l'atteinte se trouve réalisée, eh ouvrir les voies de recours devant les juridictions pour sanctionner et finalement avoir la réparation. Et la troisième euh, obligation, c'est l'obligation de réaliser. C'est-à-dire même si vous respectez, vous protégez, du fait que c'est des droits à créance, mm. il faut mobiliser des ressources internes des ressources propres de l'État et c'est le contenu de l'article 2 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels qui engage les États à agir, ça je cite, au maximum de leurs ressources disponibles pour réaliser progressivement les droits reconnus par le dit pacte. Ici, deux notions sont importantes à comprendre. La première euh, notion, c'est la notion des ressources propres, maximum de ressources propres. Mmh. Et la deuxième, c'est progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire Les commentaires, l'interprétation de l'article là, dit que d'abord l'État a à faire tout ce qui relève de son possible à travers son budget pour réaliser. Mm-hmm. Mais progressivement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de régression. Mhm. on va toujours de l'avant. On ne diminue pas les mhm. ressources mhm. qu'on met parce que la finalité, c'est que chacun. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une année, on a 20%, une autre, on revient à 10. À 10 ou à 15, non, ça sont des mesures régressives interdites dans le cadre de la mise en œuvre de ces droits-là. Voilà les trois catégories d'obligations auxquelles, dans le contexte, on a ajouté deux niveaux importants. C'est l'obligation de promouvoir promouvoir, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les personnes auxquelles on reconnaît ce droit-là hmm. puissent aussi accéder à la connaissance de ce droit. Hmm. Donc mettre un dispositif d'information approprié pour que chacun sache qu'il dispose de ses droits et que chacun sache quand ces droits-là sont violés, vers où elle doit s'adresser, à quelle institution, une institution juridictionnelle ou une institution quasi juridictionnel, comme la Commission nationale, par exemple, des droits de l'homme, mm. tout comme aussi au niveau du médiateur de la République. est-ce que euh, aujourd'hui, au vu de, euh, la pratique, euh, ce droit est-il respecté convenablement selon ces différents types de, mesures que vous avez citées on peut prendre obligation par obligation, ensemble, on mm. peut faire l'exercice de questionnement pour voir est-ce que c'est respecté ou pas. Mm. Euh, le, je parle du droit de l'obligation de respecter, qui est définie comme étant obligation de ne rien faire, mm. que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des agents de l'État, mm. du, du, sommet jusqu'à la base, mm. qui de par leur ajustement, ils sont, on peut dire qu'ils doivent être irréprochables en matière de respect des droits à l'alimentation. On peut questionner les mesures politiques. Je vois tout de suite, euh, par exemple, toute une philosophie développée par l'État du Niger sur la promotion de des, investissements privés. Ici, dans ce studio, on a l'habitude de discuter de projets d'accaparement des terres, par mm. exemple, mm. par euh, les multinationales étrangères. Par exemple, à DIFA, c'est 120 000 hectares. Est-ce qu'on peut interpréter ce projet comme étant une mesure concrète prise par le pouvoir public et qui peut avoir un effet sur le droit à l'alimentation de ses compatriotes En privant 120 000 hectares chez des personnes qui ne savent rien faire de leur vie, produire par, du point de vue agricole et pastoral et les mettre sur les carreaux, est-ce qu'on a respecté leurs droits Est-ce que cet agissement ne met pas en péril leurs droits mm. On peut voir que c'est un cas concret de non-respect de leurs euh, de droits des gens à travers les mesures que l'État prend. Et dans le cas où cet accaparement, l'objectif était de mettre en valeur des terres, euh, d'avoir par la suite euh, une partie de la production qui s'est réalisée en on on peut très simplement qu'il n'y a pas d'imagination. C'est qu'un privé, quand il vient, il peut prendre tous les territoires nigériens pour produire. Il peut produire ce qui est nécessaire pour nourrir l'Afrique. Mais produire, c'est garantir la disponibilité. La seconde manche, c'est assurer l'accessibilité. Pour accéder aux produits d'un privé, il faut l'acheter. Si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas l'acheter. Et donc, ça, on va produire à une quantité importante au niveau du pays, mais les citoyens peuvent se trouver dans une position possibilité d'accès du fait de la barrière économique parce qu'il y a un prix. Mm. Tant qu'on ne leur donne pas un revenu ailleurs qui leur permet de venir acheter ça, même si ce produit est stocké dans leur maison, ils vont mourir de la faim. Mm. Et donc ça, c'est un véritable euh, problème. C'est juste un exemple. Deuxièmement, c'est l'obligation de, protéger. protéger. L'obligation de protéger, la protection, elle est d'abord d'ordre normatif, c'est-à-dire produire des lois qui protègent qui fixe la limite de l'interdit et du permis. C'est ce que l'article là aussi de, entre autres dit, il faut prendre des mesures législatives au niveau interne parce que le pacte est créé. Quand on regarde l'environnement juridique nigérien sur le droit à l'alimentation, on peut tout de suite constater que oui, le Niger en 1986 a ratifié le pacte sur le droit socio-économique et mmh. culturel. Donc le Niger est pas sur le pacte-là et l'a publié dans son journal mmh. officiel. Mmh. Le 25 novembre 2010, l'unité du Niger a a versé ce pacte-là dans la, constitution, notamment son dans, article 12. N'est-ce pas, ça fait partie de la, du corpus constitutionnel nigérien. Mhm. Mais quand on lit l'article 12, il dit on reconnaît à chacun le droit à une alimentation saine et suffisante dans les conditions définies par la loi. cest mhm. à dire que la constitution fait un renvoi. Elle engage celui qui doit faire la loi de produire un texte législatif qui détermine les conditions de mm. mise en œuvre du mm. droit à une alimentation saine et suffisante au Niger. Qui le fait Au Niger, on sait que d'un point de vue constitutionnel, mm. c'est l'exécutif et le Parlement qui ont concurremment le pouvoir d'initier des lois. Et quand on lit l'article 185 de la même Constitution, il dit que les lois organiques et les lois d'application de la Constitution devaient être prises au plus tard à la fin de la deuxième année de son application. En 2010, on commence déjà à appliquer et donc en 2012, on devait normalement se retrouver avec toutes les lois organiques et les lois d'application de la Constitution, dont les lois prévues au niveau de l'article 12. Aujourd'hui encore où je vous parle, cette loi n'est pas encore élaborée, elle n'est pas encore adoptée. Donc il y a un problème d'encadrement d'abord juridique, de protection du droit à l'alimentation au Niger, parce qu'il n'y a pas un dispositif au niveau interne de l'État du Niger mhm. qui le fait. Mhm. Si nous sommes dans un pays du contentieux important, mhm. les citoyens peuvent poursuivre l'État du Niger pour, pour, pour ce défaut-là pour ce défaut parce qu'il n'y a pas de, oui, quand on va devant les juridictions mm. internationales, mm. l'État du Niger ne dira pas que non, je n'ai pas fait de loi interne, c'est pour ça qu'il n'y avait pas. Non, mm. le droit est reconnu, c'est lui qui est obligé de prendre toutes les mesures appropriées au niveau interne pour les mettre en œuvre en ne les prenant pas. C'est déjà un fait internationalement illicite. C'est déjà susceptible de lui faire subir des sanctions devant les... et les différents organes de surveillance notifient à l'État du Niger ce manque-là de faire. Et ça a une implication parce qu'en ne produisant pas un cadre normatif suffisamment protecteur, hmm. ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre aux autres, aux autres acteurs de pouvoir violer les droits à l'alimentation parce qu'il n'a pas fixé des balises au niveau interne, hmm. il n'a pas fixé l'interdit et le permis. et donc le fait que ce n'est pas interdit, les autres acteurs qui sont là, ils vont estimer que c'est permis. Mais il y a aussi la menace qui vient de l'extérieur, en dehors même de cela, ce sont les cycles de crise alimentaire récurrente que nous avons. Mm. Chaque année, c'est connu au Niger, par exemple, qu'il y a au moins 3 à 4 millions de Nigériens, bon an, mal an, qui sont en situation d'insécurité alimentaire chronique. Et en cas de mauvaise récolte, ce chiffre-là peut monter encore à un stade assez élevé. Donc toutes les personnes que nous statistiques produites par les institutions compétentes du Niger démontrent qu'elles sont en insécurité alimentaire, ce sont des personnes qui ont leur droit à l'alimentation violé. Parce que je vous ai dit que la réalisation de droit à l'homme fait que toute personne a le devoir de mettre euh, tous les moyens à sa disposition en branle pour se nourrir, mmh. mais lorsqu'elle se trouve dans des circonstances indépendantes de sa volonté, de l'incapacité de se nourrir, l'obligation est faite gouvernement de se substituer à ses carences ah, parce qu'on a dit que c'est des droits reconnus à tout être humain du seul fait que c'est un être humain mm. et qu'on n'admet pas qu'il ne soit pas en train de les exercer. C'est un minimum. Et si nous prenons euh, le, respect de ce droit, notamment sous le point réalisé Les droits ne sont pas réalisés parce qu'il y a ces statistiques qui démontrent que ce n'est pas fait. Deuxième chose, on peut regarder quels sont les efforts que l'État du Niger fait. Au niveau d'alternatives, Espace Citoyen, on fait un suivi des financements publics de ces droits-là dans le droit à l'alimentation et on se rend compte que d'abord le budget qu'on met pour les réaliser, c'est un budget très modeste sinon insuffisant, voire insignifiant au regard du nombre de billes. Pour réaliser le droit à l'alimentation au Niger, on sait que vous n'avez pas. On ne, on, on réalise ce droit que par deux moyens. Soit que vous produisez vous-même à travers la production. Au Niger, c'est près de 85% des Nigériens qui dépendent de la production pour survivre. N'est-ce pas c'est-à-dire qu'il faut donc prendre les dispositions maximales nécessaires qui boostent la production, qui permettent à tous ces paysans, à tous ces éleveurs de produire, de se nourrir et de satisfaire leurs autres droits. Mm. La deuxième possibilité pour se nourrir, c'est que si vous ne produisez pas, vous devez avoir un revenu vous permettant d'aller au marché acheter votre alimentation. Et là, on fait allusion aux personnes qui sont dans diverses fonctions, mais qui ne sont pas des paysans, qui ne sont pas dans la chaîne de production alimentaire, mm. mais qui comptent sur ceux qui produisent pour venir acheter. Et quand on regarde aujourd'hui la première catégorie de ces paysans-là, on voit bien que la contribution publique pour les appuyer à pouvoir produire suffisamment pour manger, c'est quand même assez modeste. Lorsqu'on regarde au stade actuel où nous parlons, au stade actuel où nous parlons, c'est là où je vais, hmm. au stade actuel où nous avons, le principal ministère qui accompagne la production agricole et pastorale au Niger a un nom du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Mmh. Le budget inscrit à l'année 2019 au niveau de ce ministère-là n'est que de 99 milliards, soit pratiquement 5% du budget général de l'État. Mmh. Mais combien de Nigériens dépendent de l'agriculture et de l'élevage pour survivre Eh bien, c'est plus de 85% du Nigériens et on met 5% du budget pour appuyer ce secteur-là. Est-ce que vous, voyez l'indice d'une volonté en vérité eh, ou du sérieux tout simplement parce que même si le droit n'est pas consacré le bon sens aurait voulu que quand on prenne le budget de l'État du Niger à lisant déjà qu'on se rende compte que ces secteurs là ce sont des secteurs qui sont prioritaires pour le Niger parce que c'est là où le sort de la plus grande majorité se joue on sait que le gouvernement nigérien quand même est inscrit dans une dans une lancée où il y a un certain nombre de planifications qui ont été faites, notamment le plan de développement économique et social, qui est en train d'être mis en œuvre à travers des, des, politiques sectorielles. Nous savons aussi qu'il y a cette politique notamment de trois n les Nigériens nourrissent les Nigériens, dont l'objectif, euh, euh, en tout cas, c'était de parvenir à cette sécurité alimentaire. Justement. Est-ce que vous ne pensez pas que ces politiques contribuent quand même à la réalisation de ce plan Normalement, leur vocation, c'est ça. Mais c'est pour politiques ne sont pas crédibles. Pourquoi Parce que quand vous prenez le plan de développement économique et social et le budget de l'État du Niger, il n'y a aucun lien. Et c'est ça qui montre, qui me pousse à dire que ce n'est pas crédible et ce n'est pas sérieux. Mmh. Parce que dans le plan de développement économique et social 2017-2021, l'État du Niger a fait son organisation en disant que pour cette période-là, voilà comment est-ce que j'entends organiser la vie en République du Niger. Je dit dans le secteur de l'agriculture, je vais mettre année par année un certain nombre de montants. En 2019, pour cette année, il a prévu de mettre 290 milliards de francs CFA. Ça, c'est dans le plan de développement économique et social. Logiquement, chaque année, quel est l'endroit où on trouve l'argent prévu par l'État C'est dans le budget. Normalement, on devait prendre le budget de l'État du Niger 2019 et on trouve inscrit 290 milliards tels que promis par le gouvernement dans son propre plan. Et, nous sommes partis vérifier pour le ministère en charge de ce secteur-là, on se retrouve avec 99 milliards à lieu et place de 290 promis. Est-ce qu'on peut dire que le plan de développement économique et social est un cadre de référence pour la politique de l'État du Niger Non. Ce sont des instruments destinés à la consommation de l'opinion. Parce que tout celui qui prend ce, plan-là, à l'interne comme à l'externe, il va faire un raisonnement logique pour dire oui, c'est l'État qui a prévu de faire ça lui-même. Il n'y a aucune raison qu'il ne l'inscrive pas dans son budget. Même si je ne vois pas son, hmm. budget de l'année, hmm. c'est ça là qui est là-dedans. Mais ce n'est pas vrai. Et donc, c'est comme si on a plusieurs niveaux de réflexion, sans coordination, sans dialogue entre ces institutions-là. Et donc, ça fait que ces programmes tels que fait, on fait pour destiner à la communication du public, mais on n'a pas prévu. Et dans une approche basée sur le droit, lorsqu'on fixe un montant, on doit pouvoir dire ce montant-là, quand je l'injecte, au regard de la situation actuelle de mon insécurité alimentaire dans le pays, qu'est-ce que je veux atteindre concrètement comme évolution en termes de transformation de la qualité de vie de mes compatriotes, en termes de satisfaction de leur droit à l'alimentation vous n'en avez pas. C'est dire que même le programme PDS, tout comme l'initiative troisième, ne sont pas conçus dans une approche basée ou centrée sur le droit à l'alimentation. C'est toujours une approche classique de programmation. On a envisagé de faire ça, on va rehausser tel niveau de production, mais on ne fait pas le lien sur la satisfaction de ce droit-là. Qu'est-ce qu'on veut atteindre concrètement C'est la même chose quand vous prenez le plan de les plans de réponse, n'est-ce pas, qu'on élabore chaque année mm. pour les réponses aux crises alimentaires. J'ai l'habitude même de leur poser la question. Oui, voilà, vous avez prévu un plan de réponse, n'est-ce pas, pour euh, les personnes en situation d'insécurité alimentaire, mais vous voulez satisfaire le droit à l'alimentation de combien de personnes Parce que vous avez déjà les chiffres mm. de ceux qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Mm. Lorsque vous injectez tout, ça permet de réaliser quoi mais en fait, les plans ne sont pas faits. C'est comme si l'État estime que par rapport à ses propres obligations, il est un contributeur. Et qui est le titulaire de l'obligation principale Ce n'est que lui. Les contributeurs, normalement, devaient être les autres acteurs, pas lui. Mm. Lui, il est le titulaire de l'obligation, il doit pouvoir fixer. Et c'est pour ça qu'on dit dans la structuration du droit international des droits de l'homme, de l'obligation primaire comme sur les États, que l'État fait ce qui est de son possible et qu'il se trouve de l'incapacité lui-même objectivement au regard de ses ressources limitées à pouvoir le faire, de laisser un appel à la communauté internationale parce qu'elle-même est liée par ses instruments juridiques internationaux. Ah pour contribuer à la réalisation de ce droit. Malheureusement, on a une subsidiarité presque inversée. Mm. L'État abandonne. Quand vous prenez le cas de la malnutrition, c'est le cas le plus choquant au Niger. C'est une, question de droit à l'alimentation que ça pose. Mm. Regarde comment est formulé l'article 12. On dit chacun a droit à une alimentation saine et suffisante. Et la question de la malnutrition, c'est l'expression concrète de l'inaccessibilité à une alimentation saine, et suffisante. Mm. Mais l'État du Niger, il fait quoi il ne met absolument rien du tout dans ce secteur. Il laisse les partenaires extérieurs s'occuper des enfants malnutris au Niger, qui sont à un chiffre assez choquant. Parce qu'on dit près de 50% des enfants nigériens souffrent de la malnutrition chronique. Tu n'es pas perdu. Est-ce qu'au moins il y a euh, un certain nombre de dispositions, de mesures prises par l'État qui vont dans le sens de, promouvoir, ce, dans le sens de respecter, dans le sens d'honorer cet engagement euh, oui, toutes les institutions du droit dont je parle tantôt, normalement, la création déjà d'un ministère qui est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de l'agriculture et de l'élevage, un mm. ministère de l'environnement, un ministère de l'hydraulique, n'est-ce pas les, Ou tous les ministères chargés du développement, y compris le ministère de commerce, parce que normalement devait être centré pour la réalisation du droit. Les uns pour produire, les autres pour réguler le mécanisme de commerce et rendre donc les prix accessibles. Et lorsque la production est déficitaire, organiser le mécanisme d'importation des denrées alimentaires à l'extérieur du territoire national pour que cela soit. Ce sont des mécanismes de production ici de régulation, il y a à côté un dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires créé par l'État du Niger. Mm. Il y a même un ministère de l'action humanitaire. En vérité, normalement, ces institutions participent des mesures prises par l'État du Niger en vue de réaliser Ça veut dire que l'État du Niger est, quand même engagé dans. C'est clair qu'on ne peut pas dire que l'État du Niger est au point zéro. Mm. Ce n'est pas possible. Qu'il mm. fait ce qu'il peut, mais il est loin de compte, n'est-ce pas Et il prend aussi des mesures contradictoires. C'est ça que nous critiquons. Alors. Il pouvoir harmoniser de ce sort-là. Mm. Les quelques rares ressources qu'il met, même s'il ne les exécute pas comme il le faut, mm. il met un peu, mm. n'est-ce pas Mais il, est de plus en plus aussi euh, remarqué qu'il prend des mesures régressives, c'est ça un peu nous, contestons, c'est un mm. peu ça nous dénonçons et nous attirons l'attention pour dire qu'il s'agit d'avoir des obligations et nous les prions au moins d'ici la fin de la législature là qu'il adopte au moins la loi qui encadre les conditions de mise en œuvre du droit à une alimentation saine et suffisante au Niger, c'est quand même un élément important. L'État du Niger, pour euh, votre gouverne, est l'un des rares États d'Afrique à constitutionnaliser le droit à l'alimentation mm. dans sa loi fondamentale. Mm-hmm. N'est-ce pas On l'a inscrit. L'État du Niger a versé le pacte international dans son corpus constitutionnel. Mm. C'est quand même assez important, assez significatif. Mais ce que, ça, tout celui qui, à l'extérieur, voit ça, il peut euh, l'apprécier déjà comme le signe euh, d'une bonne volonté, d'une bonne volonté politique, d'une détermination. Mais nous qui sommes à l'intérieur, quand on regarde la suite et qu'il ne vient pas, on dit mais est-ce que c'est une question de volonté ou de marketing politique aussi de l'extérieur pour dire qu'on a versé ça Mais si on s'arrête là, euh, il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur qui comprennent que en fait la suite n'est pas encore arrivée. Au-delà de cette constitutionnalisation simplement, nous avons un corpus juridique qui a donné un signe assez significatif, notre droit là elle est dans une certaine mesure assez révolutionnaire. Parce qu'en dehors de la consécration du droit à l'alimentation à l'article 12, le Niger a encore franchi un autre pas mhm. en mettant l'article 146 qui dit que l'État du Niger fait de la lutte contre les inégalités un acte majeur de ses interventions et où les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire. Donc, quand on parle déjà cette vocation il y a un jeu de concept assez important. Normalement, quand l'option est donnée par la Constitution hmm. de promouvoir la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que toutes toute l'institution étatique devait s'organiser de telle sorte qu'elle investisse suffisamment de ressources à l'intérieur et booster pour que ça soit. à l'article 153, on a même dit l'État euh, déjà doit investir dans les secteurs prioritaires. C'est un cas de trouver les priorités de certains secteurs dans la Constitution elle-même. Parmi ces priorités, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, la santé, l'éducation. C'est quand même formidable que les droits de la deuxième génération que certains contestent même la juridicité. Mhm. Nous, qu'on inscrive déjà dans notre conscience que dit que non seulement on les reconnaît comme un droit, mais aussi on les reconnaît comme priorité de la Constitution. Mais que le drame, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de, suite. Il n'y euh, a, pas de suite. J'ai envie de vous poser cette question. Vous vous souvenez certainement des recommandations ici du dernier examen périodique euh, universel du Niger devant le Conseil des droits de l'homme. Euh, est-ce que vous vous rappelez euh, de ce qui en ressort notamment justement, pour ce qui concerne il y a quand même un paquet de pays qui ont fait des observations reconnues par l'État du Niger lors de cet examen périodique universel parce que c'est une séance qui permet à chaque 4 ans, à chaque État membre des Nations Unies hmm. de passer devant le Conseil des droits de l'homme et de rendre compte des efforts fournis à l'interne pour réaliser les droits, les droits de l'homme. Mais sur la question du droit à l'alimentation, il y a déjà beaucoup de recommandations qui ont été formulées. Vous avez, et au niveau de l'examen périodique universel, mm. et aussi au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la dernière session c'est une même année, Niamey, en vérité, mm. qui a aussi le même mécanisme de contrôle de la mise en œuvre des droits fondamentaux. Et les recommandations ont été formulées à l'État du Niger pour justement prendre des mesures, non seulement pour investir dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, pour réaliser le droit à l'alimentation, parce que c'est un pays dont on parle beaucoup de récurrence des crises Alors, quelles sont ces recommandations N'est-ce pas, C'est ça, je dis. Les recommandations, il y a les recommandations sur les mesures appropriées que l'État du Niger devait prendre pour réaliser le droit à l'alimentation, investir davantage, aussi produire un cadre normatif de protection de ce droit. Les critiques que j'ai formulé en fait, tantôt, émerge mm. émergent dans la plupart des rapports présentés mm. par l'État du Niger. Il a reconnu la pertinence de ces recommandations que ça tient, ça se justifie dans son ordre interne, mais euh, on voit un comité même a été mis en place pour suivre la mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel, sinon des examens périodiques universels, parce qu'il y a les mêmes mm-hmm. recommandations qui reviennent, n'est-ce pas, avec aussi d'autres recommandations qui s'ajoutent, mais malheureusement, on a l'impression que l'État du Niger n'arrive pas à transformer ça fait quand même moins d'un an après cet examen. Oui, mais, c'est déjà la deuxième recommandation. Il y avait eu déjà des recommandations antérieures, n'est-ce pas Il passe pour la, dernière fois, les recommandations sont venues, je crois, il y a près de 80 pays qui ont fait euh, ces observations-là. Et donc, euh, c'est bon que l'État du Niger puisse euh, faire encore davantage. Nous ne sommes pas comme les autres. La structure de notre économie et de notre société est telle que nous devons nous réorganiser davantage pour savoir que Dès lors que l'écrasante majorité de nos populations dépendent des secteurs bien déterminés, ces secteurs-là deviennent de, vitaux, deviennent les secteurs dans lesquels le devenir du pays tout entier se joue. Et donc, dans ce cas de figure-là, l'État doit apporter la preuve justement qu'il est conscient de cette euh, problématique et qu'il prenne les mesures à sa portée. Et nous en avons. Parce que quand on constate euh, l'évolution du budget général de l'État du Niger, mm. quand même c'est une évolution importante globalement. Mais ce sont l'évolution de les secteurs stratégiques que la Constitution elle-même a déclaré priorité et on se retrouve avec des mesures euh, d'autres politiques inférieures qui sont censées respecter la Constitution mais qui promeuvent d'autres encore impératifs. Sauf que euh, a vu que la question de la sécurité le plus souvent a à ces dernières années plombé euh, l'envol des autres C'est ça qui est dramatique. Dans un état de droit, on dit c'est la primauté de la règle de droit. Donc la primauté de la Constitution sur tous les choix politiques. Or, les secteurs qui ont été déclarés prioritaires là, il est curieux de constater que c'est par là on commence à faire des ponctions. Alors que c'est là où on a des interdictions de prendre des mesures régressives. Or, il y a suffisamment de ressources. Nous, nous faisons des critiques. On dit bien, les, la dépense sécuritaire, on ne conteste pas qu'il y a un besoin de faire des dépenses supplémentaires, n'est-ce pas Encore que ça doit être transparent, efficace et qu'on prenne des mesures pour éviter les détournements. Mais on peut prendre ailleurs que dans les secteurs prioritaires de la Constitution, par exemple, réduire la taille du gouvernement, réduire la taille inutile de l'Assemblée qui est passée de 113 à 171 et qui n'a pas apporté la preuve que c'était élargissement, cet élargissement institutionnel c'est une inflation inutile de ressources publiques qu'on injecte juste pour prendre en charge un personnel politique qui ne sert pas à grand-chose. Donc on peut diminuer, faire économie et investir justement dans la sécurité ou aussi dans les autres secteurs, c'est tout à fait. Euh, comment est-ce que l'État du Niger peut en tout cas rectifier le tir selon vous D'abord pour produire les droits de protection, les lois nationales de protection des droits de l'homme conformément à ses obligations internationales, il a les ressources humaines compétentes pour pouvoir produire ces lois-là et il a le pouvoir de les adopter. Deuxième chose, c'est qu'il doit dire qu'en adoptant sa loi de finances, il doit garder à l'esprit aussi les obligations constitutionnelles pour dire que la loi budgétaire, le mm. budget, la loi de finances, mm. eh bien, doit respecter l'esprit et la lettre de la Constitution, donc en organisant les ressources et en investissant d'abord et avant tout dans les secteurs prioritaires, donc les secteurs socio-économiques de base il a aussi l'obligation de prendre les mesures pour dire que trop c'est trop. On fait trop de bradage de nos ressources. On a beaucoup de manques à gagner. Les entreprises qui interviennent chez nous et qui bénéficient des cadeaux fiscaux injustifiables, eh on doit cesser de faire ces cadeaux-là fiscaux qui sont importants et nous avons vu c'est des centaines de milliards que nous perdons avec les exonérations. Dès la loi de finances 2019, là, vous avez pratiquement 250 milliards de francs CFAT d'exonération. Pourquoi C'est de l'argent inutilement perdu. Récupéré, on peut les réinvestir dans ces secteurs utiles et continuer à améliorer les conditions d'existence. Fin du forum d'aujourd'hui sur le thème Respect des droits humains au Niger, le cas du droit à l'alimentation. Le ressort que l'État du Niger fait de son mieux pour satisfaire le droit à l'alimentation, néanmoins des efforts doivent être faits, notamment dans le cadre de l'encadrement juridique nécessaire pour protéger protéger davantage le droit à l'alimentation. L'investissement aussi de ressources conséquentes dans la filière agro-silvopastorale est soulevé par nos invités. Nous étions en compagnie de Kani Abdullah, coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE, et Djori Ibrahim, qui est chef de département droit à l'alimentation alternative espace citoyen. À la présentation, Hassan Kouzi Mahamadou.